le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum le forum du le forum du studio le forum du studio forum Voilà, il est 18h16 minutes. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du studio Kalangu. Vous pouvez suivre les programmes du studio Kalangu à Niamey et dans l'ensemble des chefs liés des régions à travers les réseaux des radios partenaires. À cela s'ajoutent d'autres localités comme Arlit, Filengue, Berningaure, Chirozérine, Magaria, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum du vendredi, c'est du décryptage de l'actualité de la semaine avec des confrères de la presse nationale nos invités aujourd'hui, Ouseni Issa, journaliste indépendant. Bonsoir Ouseni et merci d'être venu. Nous attendons d'une minute à l'autre Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant. L'actualité cette semaine est dominée par la politique. Euh, la chambre de contrôle du tribunal militaire de Niamey a rejeté ce matin même les demandes de mise en liberté provisoire introduites par le collectif des avocats des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État de décembre dernier Parmi les personnes impliquées, on peut citer le général Salou Suleiman, mais aussi des responsables politiques comme Issouf Isaka ou Omar Logari du parti moderne Lumana. Le bureau politique national du MNSD Nassara décide de se rallier à la mouvance au pouvoir. Adamou secrétaire adjoint à la communication, va expliquer les principales raisons qui ont motivé cette décision du bureau politique national. Même si c'est à une large majorité que la décision a été prise, l'affaire fait grand bruit. Le H 2016, le premier vol devait s'effectuer depuis mardi soir, mais à la dernière minute, il a été annulé par la compagnie Niger Airways, inquiétude des pèlerins. La célébration ce jour de la journée mondiale de l'aide humanitaire sur le thème Humanité, l'humanité indivisible et enfin un mot pour souhaiter bonne chance à l'espoir du Niger au JO 2016, le temps de condoïne Abdelrazak Al-Faka joue demain à 14h. Oui, la Chambre de contrôle du tribunal militaire de Niamey a rejeté ce matin même les demandes de mise en liberté provisoire introduites par le collectif d'avocats des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État de décembre dernier. Elle confirme ainsi les ordonnances du juge en charge de l'instruction. Ces personnes impliquées sont en grande partie des militaires comme le général Salou Suleiman, mais aussi des responsables politiques comme Issoufou Issaka, Oumar Dougari ou encore Seni Mereda du parti Modern Fa Lumana. Malgré ce rejet de liberté provisoire, le collectif d'avocats affirme sa détermination à se battre jusqu'à la libération de ses clients qu'il considère comme innocents. Suivons tout de suite euh, Maître Yoga Adamou, un des avocats. Il est au micro de notre reporter Mokhtar Hamadou la Cour a rejeté nos demandes. Elle a estimé que euh, pour l'instant, nos clients doivent continuer à garder prison. Jusqu'à quand ça, je ne le sais pas. Dans tous les cas, je dirais que la justice, c'est un combat. La liberté, c'est un combat. Nous sommes en train de faire une bataille judiciaire. Nous ne pouvons pas dire exactement jusqu'à quel moment ces gens seront libérés, mais nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous en sommes confiants. Dans tous les cas, Inch'Allah, le jour viendra où ils seront libérés. Les faits reprochés à nos clients sont uniquement complots contre l'autorité de l'État. Nous, nous avons estimé que, au vu de l'évolution de la procédure, toutes les investigations nécessaires ont été faites. Nous avons, nous, avocats, estimé qu'il est important, au stade actuel de la procédure, après huit mois de détention, de déposer des demandes de mise à liberté Surtout que, à notre niveau, nos clients ne se reprochent rien. Mais c'est une décision de justice qui vient de tomber aujourd'hui. Nous sommes des avocats. Nous la respectons. Nous allons utiliser les voies que la loi nous offre pour toujours les défendre. Voilà, maître euh, Djouga Adamou, un des avocats des membres, un des avocats du collectif des personnes euh, impliquées, un, de, un, des avocats, membre du collectif euh, des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État de décembre dernier. Alors, le juge Ouseni, bonsoir. Bonsoir Amado. Euh, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et vous êtes euh, un de nos invités. la chambre de contrôle du tribunal militaire de Niamey donc vient de rejeter les demandes de mise en liberté provisoire introduites par le collectif d'avocats en faveur des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État. Vous venez de suivre l'avocat, vous connaissez bien cette affaire. Quelle est votre réaction Effectivement, Amado, et vous savez bien que ça fait pratiquement, ça remonte à décembre 2015, je crois, à l'approche euh, de la fête de la République, la célébration de la fête de la République, quand l'annonce a été faite que des militaires ou des officiers supérieurs de l'armée avaient voulu, comment dire, attenter à la forme républicaine de l'État. Ça a donné lieu à l'arrestation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'au moins neuf officiers supérieurs de l'armée, mais également des civils, qui se trouvent être des politiciens, des cadres du parti Lumana, mais également du MNC Nassara. La semaine dernière, il y a eu les plaidoiries, je crois, à Lucie, comme avec desquelles il a été décidé que, en tout cas, le verdict va être rendu ce, vendredi. Et comme vous venez de le dire, on constate que ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré la démarche des avocats et on s'est dit que bon, les gens étaient un peu, comment avait je dire, euh, c'était les deux, comme avait dit les deux, les deux aspects, les deux machins, les deux extrêmes ou eh bien ils retrouvaient, ils recouvraient leur liberté ou ils vont continuer à garder prison. Et on se trouve dans une situation où <coughs> le juge a estimé qu'ils vont continuer à garder prison. Mais comme vous le savez, dans tous les cas, c'est une affaire qu'il faut tôt ou tard élucider. Il faut qu'il y ait un procès. Le jour où il y aura le procès, comme de la même manière, le gouvernement a eu à dire qu'il détient des éléments de preuve, il y a eu l'instruction et tout et tout. On va voir le jour du procès parce que dans tous les cas, il faut bien qu'un jour, en tout cas, on puisse faire la lumière autour de cette affaire à l'issue d'un procès. Donc pour vous, la lumière n'est pas faite Non, jusqu'ici, je considère que la lumière n'est pas hein. faite. C'est toujours en cours et il faut bien qu'un jour, parce que c'est des citoyens nigériens, c'est une affaire aussi gravissime, il faut bien qu'on dise clairement qu'est-ce qui s'était passé. Si effectivement <laughs> les éléments de preuve sont fournis, qui les inculpent, évidemment, ils vont continuer à garder certainement prison. Mais maintenant, s'ils sont innocentés à l'issue du procès, ce qui est sûr, bon, ils vont être obligés, comme avait dit, de les mettre en liberté. Et là, peut-être, ils vont même invoquer, comment dire, des dommages et intérêts, parce que quand on garde quelqu'un pendant des mois en mois, prison, mois. il faut véritablement, à l'issue, comme avait dit, du procès, il faut que puisse, en tout cas, les dédommager éventuellement, si c'est vraiment de manière gratuite qu'ils ont Nous n'en sommes pas là, mais je profite euh, donc euh, pour annoncer que euh, notre deuxième invité, qui est Jafar Maman, vient d'arriver. Il est le directeur de publication du journal L'Indépendant. Bonsoir Jafar. Bonsoir. Et merci d'être venu. Euh, nous étions en train de parler de, du verdict de la Chambre de contrôle du tribunal militaire de Niamey qui a rejeté ce matin les demandes de mise en liberté provisoire introduites par euh, les avocats des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État donc c'est un rejet. Votre réaction, vous connaissez déjà l'affaire. Hein oui, oui, justement, je pense que le, le plus important dans, dans cette euh, euh, affaire ou dans ces dossiers, euh, je viens de prendre en cours la réaction de, de Et, pour abonder dans le même sens, je pense que c'est un dossier assez sensible et qui mérite qu'il soit traité avec la plus grande raison, si je peux me me le permettre cette expression, puisque euh, quand on parle d'un dossier de coup d'État, ça veut dire que en termes de, de, euh, de peine, généralement, si on arrive à inculper les, les, les, présumés poursuivis, ça veut dire qu'ils s'en sortent avec des lourdes peines d'emprisonnement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un dossier qui mérite d'être géré avec, euh, comme j'ai dit, la plus grande attention et qu'il n'y ait pas euh, un jeu de sentiments ou de, de un jeu de euh, de stratégie politicienne euh, parce qu'il s'agit de pères de famille, il s'agit de des personnalités qui sont inculpées, ça veut dire que ce dossier mérite beaucoup d'attention. sans être dans les secrets de la justice de cette chambre, pourquoi elle a rejeté, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est que ce dossier mérite qu'il soit traité avec la plus grande vigilance et que euh, les citoyens nigériens doivent euh, avoir un peu de regard sur ce dossier pour que ça se passe, euh, pour que le procès se passe dans la plus grande transparence et avec le minimum de respect des droits de l'homme requis. Il n'y a pas une même politique Bon, dans un dossier de ce genre, quand on parle de, de coup d'État, pour l'instant, il y a toujours le politique puisque c'est le politique qui a révélé l'affaire, c'est le politique qui, qui poursuit. Euh, ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, les citoyens, euh, leur droit, euh, comme d'ailleurs la famille de ces euh, personnes-là, ont le droit d'avoir un regard sur euh, plus ou moins politicien, pour ne pas dire politique. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est pour cela que je parle euh, de transparence, et de sensibilité du dossier. Euh, et c'est pour cela que euh, les citoyens doivent être regardants sur ce dossier pour qu'il n'y ait pas mhm. cet amalgame-là entre une affaire politicienne est une affaire mm. purement judiciaire qui mérite d'être bien traitée. Hussein, en un mot, est-ce qu'il y a une main, vous, vous y voyez une politique Moi, mais je veux dire, évidemment, qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas le politique, parce que d'abord, c'est le politique qui a dénoncé, en tout cas, qui a révélé l'affaire. Est-ce qu'il a de l'influence Oui, mais bon, dans tous les cas, on ne sait pas influence ou pas. Normalement, c'est à la justice de gérer ce dossier-là, normalement. Et ce qui se passe, le sentiment que les gens ont, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps de plus en plus. On ne sait pas pourquoi ça, ça, ça traîne. Normalement, au bout de 6, 7, 8 mois, on doit pouvoir dire que bon, toutes les preuves sont réunies de part et d'autre pour que ces gens puissent, parce que c'est des packs de famille, comme l'a dit Jaff, c'est des packs de famille, en tout cas, qui sont là dans une situation inconfortable. Il faut véritablement qu'on accélère, en tout cas, c'est le souhait de beaucoup de Nigériens, pour que la lumière puisse être faite, pour qu'on cherche exactement quels sont les contours véritables de l'affaire, si ça n'est une. D'accord. Merci beaucoup pour ces analyses. Euh, nous allons observer une petite pause. La suite de ce forum, le samedi 13 août dernier, le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé à la majorité de ses membres de se rallier à la mouvance au pouvoir. Alors, quelles sont les principales raisons qui ont motivé cette décision du Bureau politique national Je vous propose d'écouter Adamou Idé, secrétaire adjoint à la communication du MNSD. Il est au micro de notre reporter Mokhtar Hamadou. En toute souveraineté, le bureau politique national du MNSD Nassara a donné mandat au président du parti d'entreprendre toute démarche utile pour concrétiser le ralliement du MNSD Nassara à la mouvance présidentielle. La première raison, c'est l'intérêt national du Niger. La deuxième raison, c'est l'intérêt de notre parti, le MNSD Nassara, qui a connu beaucoup d'épreuves difficiles, des épreuves d'usure. Et nous avons jugé utile qu'on ne crée pas un parti pour être constamment à l'opposition. Non, on crée un parti dans l'intérêt général pour gérer les affaires de l'État. Vous savez, le MNSD est un grand parti fondé sur le triple type consultation, concertation, participation. Cela veut dire qu'en amont, nous avons tenu compte de ce triple type-là. La majorité des sections étaient favorables à l'adhésion du MNSD Nassara à la gestion du pouvoir. Voilà le secrétaire adjoint à la communication du MNSD Nazara vos idée sur euh, la raison qui a, ou bien les raisons qui ont motivé euh, le bureau politique a prendre la décision de se rallier à la mouvance au pouvoir. Euh, vous venez de suivre le MNSD, vous avez suivi les autres déclarations. Est-ce que vous êtes surpris de ce ralliement euh, Surpris, euh, je pense que non. Quand Je pense que pour tout Nigérien un peu regardant sur les événements politiques depuis pratiquement le processus, le début du processus électoral, euh, il comprendra que euh, à l'issue de, d'un score tout à fait contraire à ce que à l'attente de, des partis politiques regroupés au sein de la COPA, il y aura euh, certainement de, de, de, réactions, il y aura certainement des changements de cap, comme on dit, d'orientation. Surtout, j'ai retenu dans, dans l'intervention de euh, Vous l'avez bien suivi, Adam Voilà, adam Adamou Idé, j'ai retenu un mot euh, qui mérite toute l'attention des avertis euh, de, de, de, de, terrain politique nigérien, c'est quand il parle du fait que leur parti a, traversé assez de situations et il dit, euh, il a utilisé un terme exceptionnel quand il parle de l'usure. L'Isure, moi, je la comprends, euh, je comprends ce terme en deux moments. l'isure du point de vue de lutte politique que le MNSD a pris assez de coups. Et l'usure du point de vue euh, moyen de, de, de, de moyen et stratégie de politique. Et à ce niveau-là, il faut comprendre que le MNSD a perdu deux hommes. Et le MNSD euh, a perdu aussi des moyens financiers. Hmm. Vous vous rappelez des différents feuilletons qu'ils ont gérés, la série de feuilletons qu'ils ont gérés avec euh, leurs camarades. C'est assez suffisant pour quitter. Euh, non, c'est des, des arguments qui peuvent valoir à certains égards dans, dans, dans, un, dans un combat politique. Mais je pense il y a la réaction d'aujourd'hui résume pratiquement où c'est la concrétisation, je pense, d'une euh, célèbre phrase du, du, président du parti quand ils ont décidé de, de reprendre leur place au Parlement. Je pense que euh, à cette occasion, euh, à travers les médias, il a, il a fait une réaction en disant que seuls les imbéciles ne changent pas. Ça veut dire que ils reconnaissent qu'ils ont eu tort, ils reconnaissent qu'ils ont euh, qu'ils sont qu'ils ont perdu un combat électoral et qu'ils considèrent qu'ils ont quelque chose à préserver. C'est peut-être les moyens du parti, les ressources, puisqu'il y a une bataille qui s'annonce. Apparemment, le MNSD a entériné l'élection euh, ah. passée présidentielle et le MNSD est en train de tourner peut-être vers 2021, l'après-président Issoufou. On, on en parlera peut-être tout à l'heure, le temps de donner la parole à Ouseni. Ouseni, euh, votre réaction hein, et les arguments que vous avez écoutés de la je part. Je veux dire, euh, c'est pas bon. J'ai suivi euh, Adam Hidé comme <laughs> vous l'avez, comme avait dit, passé un extrait. Bon, quelque part, moi j'ai dit, euh, on peut dire que ce n'est pas tellement surprenant, quand bien même qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe de cette façon-là. Parce que vous savez, depuis pratiquement les élections de février mars, pratiquement, quand ils ont décidé de ne pas reconnaître les institutions, quelque temps après, ils ont demandé à leurs députés d'aller siéger. On a senti que véritablement, il y a, comment dire, il y a un désistement. L'opposition n'a pas voulu prendre ses responsabilités pour mener la lutte. L'opposition a préféré et on s'est retrouvé dans une situation à partir du moment où ils ont dit ils vont aller à l'Assemblée siéger et c'est au niveau des assemblées élues qu'ils vont mener le combat à partir de cet instant déjà, on comprend qu'il y a une capitulation. Maintenant, peut-être on s'attendait à ce que d'autres parties de la COPA, du moins euh, l'ex-COPA, que ce soit ces parties là qui vont aller s'allier. Et euh, à la grande surprise, quand la rumeur a commencé à circuler, quand on a vu que au niveau du bureau politique national, en dehors de quelques individualités, pratiquement, il n'y a pas eu une réunion pour démentir les rumeurs qui circulaient. Il fallait se dire qu'il y a quand même un fond de vérité et ça s'est concrétisé. Maintenant, les arguments qui ont été avancés, notamment l'intérêt supérieur de la nation, moi, ça me fait quelque, part sourire. L'intérêt supérieur de la nation, j'ai comme l'impression que les gens ne perçoivent pas, ou du moins c'est juste un argument qu'on balance comme ça aux populations, mais l'intérêt supérieur de la nation, ce n'est pas le fait d'aller et, comme comment avait dit, dans, à, à, à, à un pouvoir qui est déjà, en tout cas, qui a une majorité confortable, 92%. Mhm. On est dans un contexte démocratique. Dans une démocratie, il faut bien qu'il y ait une opposition. Finalement, ce n'est pas l'intérêt national. Non, je me dis, c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, c'est vraiment l'intérêt du ventre, quelque part. Quand ils disent, ils ont créé un parti prêt au pouvoir. Ils sont allés aux élections. Ils ont été battus ils ont accepté en fait le, les ventre ça veut dire ils vont aller pour euh, gagner des postes mais, je vais dire quand déjà la majorité au pouvoir a déjà pratiquement 93% comme avait dit des de, suffrages quand même qu'est-ce qui reste c'est juste 7% qu'est-ce qu'ils peuvent quelle va être la plus-value ils vont aller participer à la gestion du pouvoir. Est-ce qu'il y aura un programme minimum qui va être mis en œuvre Ce n'est pas évident. Oui. Le président euh, qui gagne dans cette manche euh, qui gagne, je pense que euh, il y a le, le, président de la République. Moi, je vois même pas son parti, le PNDS, mais ou la majorité au pouvoir. Mais il y a le président de la République qui, qui gagne. Le grand gagnant, c'est lui. Et, là, euh, il suffit de, de, jeter un regard rétrospectif sur le déroulement et le processus des élections passées. on, on saura sans nul doute que le président a beaucoup perdu, même en gagnant les élections le connaissant euh, son souci de rallier la communauté internationale euh, pour sa cause, on sait qu'il a perdu parce qu'il a été élu plus ou moins euh, de la euh, en tout cas donc, de la plus mauvaise manière. Même avec 97 pour, 92. je pense qu'il a été mal élu et il le sait parce que les élections ont été émaillées de contestations. Donc le, le euh, MNSD conforte sa légitimité. je pense qu'en en, allant soutenir le président, le MNSD dans un premier temps reconforte le président et lui redéploie sa légitimité du premier, de, son élection du premier mandat. Vous une seconde, euh, Mohamed Issouf, légitime je ah, ah, ben, dit non, mais bon, le MNSD est parti, d'accord. Ils sont partis pour des raisons qui ne sont pas véritablement ce qui a été avancé. Évidemment, ça conforte un peu le président de la République par rapport à sa posture. Parce que tout le monde sait comment les élections s'étaient déroulées. On s'est dit quelque part que bon, quand il continue, il a continué à attendre la même pour quelqu'un qui a eu 93% des suffrages je vois pas en vérité pourquoi tendre la main. Mais ce qui est en fait euh, un peu inquiétant, c'est il faut voir la démocratie. Une démocratie suppose une majorité qui, dirige et une opposition qui est là pour surveiller. Mais le Lumana est là Oui, non, mais je veux dire, non, on ne peut pas fragiliser une opposition, on ne peut pas continuer. Pour qu'une opposition soit viable, vous, n'êtes pas sans savoir un peu les, conditions dans lesquelles la démocratie est en train de voler aujourd'hui. Les libertés de manifestation, les libertés, tout ça, c'est des libertés qui sont un peu sous coupe réglée. Quand les gens ne peuvent même pas sortir faire des marches, ça pose véritablement problème. Aujourd'hui, il y a l'isolement de Lumana qui se retrouve un peu pratiquement seul, bon, un peu avec il y a le MD Hankouri, il y tout Tabat, ça, c'est des poids lourds quand même. Non, non, non, non il faut pas. Les poids lourds, on les connaît sur l'échiquier politique national. C'est pas des poids lourds c'est des partis qui sont là. Si c'était le CDS vraiment avec Maman Ousmane, Kankouri est né à la veille des élections et un peu, bon, les, comment Tabat aussi arrive à, comment dire, difficilement à, à, à comment dire, à, à, se hisser. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où, bon, il y a pratiquement plus d'opposition. Et qui dit que, qu'est-ce qui dit que les autres là vont continuer à rester Et c'est dangereux pour la démocratie. Moi, je pense que la démocratie, il faut créer les conditions pour que les conditions de l'alternance puissent prévaloir dans un contexte démocratique. Okay. Voilà, euh, oui, euh, j'aimerais sur le concept de, de, euh, l'intérêt national revenir sur un exemple, euh, puisque apparemment toute notre politique ou notre démocratie s'inspire de, de, la démocratie hexagonale, de la démocratie française. Je me rappelle en, en, 2000, en 2002, si je ne me trompe, à, à l'occasion de l'élection, de la réélection de Chirac, euh, quand Jaspin, qui était le candidat du Parti socialiste, a été battu, il, il s'est retrouvé troisième. Face à la menace du Front national, le PS, le Parti socialiste, a demandé aux, Français de soutenir Chirac, de voter Chirac. Mais euh, cette petite alliance convergence s'est tout juste arrêtée euh, au mot d'ordre de vote sans, réclamer voilà une action d'intérêt national où on ah. demande de sauver la démocratie, de sauver les valeurs des droits de l'homme, défendues par la, par la France révolutionnaire, et sans rien demander au retour, comme poste comme partage de, de, de comme on dit. Mais lorsqu'on se retrouve, qu'on estime que si on ne participe pas, on n'a pas euh, une, une, pâte, comme on dit dans, dans, dans, dans le plat, on n'est pas, il n'y a pas l'intérêt national. Je pense qu'il y a un intérêt euh, national pour. Euh, D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. On va prendre une petite pause. À 18h39, je, je rappelle que nos invités, ce sont euh, Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant, Hussein Issa, journaliste indépendant. C'est pour décrypter l'actualité de la semaine. Et l'actualité, c'est ces quelques 400 pèlerins qui devaient quitter mardi soir à 22h pour la Mecque, qui n'ont pas pu décoller. Ce vol, le premier du Hajj 2016, a été annulé par la compagnie Niger Airways. Sur les raisons de cette annulation, je vous propose de suivre Maman Hafizou, chargé de communication et de relations extérieure au commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho. Il est au micro de Laura Ibrahim Gado. Nous étions en pleine préparation donc euh, du vol hier soir qui était prévu pour 22 euh, heures quand la compagnie, en l'occurrence Niger Airways, nous a saisis pour nous notifier que le vol ne pouvait pas avoir lieu hier pour des raisons techniques. Ils nous ont annoncé une date du 20. Ils vont nous présenter un autre programme qui va démarrer le 20. Euh, les pèlerins, on les a expliqués, on, leur a demandé d'être euh, sereins, de prendre la chose avec philosophie, parce que c'est le Hajj, ça arrive, et que, Inch'Allah, euh, incessamment, dans les heures qui viennent, une autre annonce viendra pour leur donner la date définitive de leur départ. Nous sommes sereins, nous continuons notre préparation. Nous sommes à pied d'œuvre pour que ce problème soit définitivement réglé. Pour la deuxième compagnie, en principe, il n'y a pas de problème. Voilà le chargé de communication du COHO, euh, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la OUMRA. Vous venez de suivre donc euh, Maman Hafizou euh, et l'explication, ou du moins le ratage de ce vol est-ce que euh, nous sommes en plein. Est-ce qu'il y a eu d'évolution dans l'organisation du Hajj Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et c'est vraiment triste de constater que malgré, comme avait dit, la présence d'une structure ou du moins la mise en place d'une structure, on se retrouve dans des situations où on fait un planning de vol et à la dernière minute, on se retrouve dans une situation où les premiers pèlerins les pèlerins qui devaient quitter le 16 ne sont pas partis. Ceux qui devaient quitter le 17 n'ont pas bougé. Ceux qui devaient quitter le 18 n'ont pas bougé. Et plus le temps passe, plus les chances, en tout cas, de tous ces pèlerins-là, pour qu'ils puissent aller, comme avait dit, être acheminés à la Mecque, plus ces chances s'amunissent. Et on se pose la question quelque part, parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé à être préparé. On doit pouvoir mettre les choses en place, faire en sorte que, quand on dit qu'il y a vol, que le vol soit là à temps pour que les premiers passagers, ainsi de suite, pour qu'on ne rate pas. Mais à partir du moment où il y a un ratage dès le départ, ça veut dire que ça fausse pratiquement tout le planning. Je rappelle qu'il y a deux avions. Oui, c'est le premier avion qui a raté son premier vol. Oui, mais justement. Ce qui n'est pas le cas à en croire euh, le chargé de communication pour le deuxième. Euh, oui, mais d'accord, on attend de voir aussi pour ce qui est de l'autre avionneur. On ne sait pas quelle va être la posture Parce que dans tous les cas, le premier avionneur, à la dernière minute, fait comprendre, on prépare le Hajj pendant pratiquement une année. D'accord. On doit se dire quand même quelque part qu'on doit pouvoir huiler de telle manière que... d'accord. Euh, est-ce que le Hajj a été bien préparé est-ce que ça a été huilé comme le demande euh, Bon, euh, nous sommes à, nous sommes à un processus qui vient de commencer et malheureusement qui commence très mal je pense que euh, on n'est pas au stade de bilan, on est au stade certes d'un constat, euh, mais il faut comprendre de façon euh, générale que ça n'a pas évolué, ça n'a pas évolué véritablement. la préparation du Hajj sur un an, je pense que ça doit donner lieu à une véritable action de la part du Koho qui est là, et qui d'ailleurs profitent puisqu'ils sont entretenus, très bien entretenus d'ailleurs, et ils ne l'en font pas pour avoir... Ils quel, entretien, quel entretien? mais ils sont bien, ils ne sont pas là, euh, je pense que <laughs> au service de Dieu, quand même, permettez-moi l'expression, mais je sais que c'est des gens qui ont été recrutés, qui sont là-bas, et euh, à qui on a légué un certain nombre de responsabilités et, davantage Ça veut dire qu'ils n'ont pas droit à l'erreur ce n'est plus, on doit cesser euh, de tout retourner euh, dans la voie, puisqu'on dit c'est le Hajj, non. Donc le Hajj, c'est la volonté de Dieu. Alors qu'eux qui soit là, si véritablement il se retrouve donc c'est de la faute du C'est la faute des hommes et il faut qu'on corrige. Du bel et bien du Koho. Et le mal, c'est que dans, dans l'organisation de Hajj, moi j'ai compris qu'il y a un certain nombre, il y a une sorte d'escalier où les gens se retrouvent où les gens trouvent que c'est même dans, dans ce... Aujourd'hui, il n'y a pas métier plus lucratif que, que, que, que, ouvrir une compagnie de voyage pour préparer le Hajj ou se retrouver au niveau de, de, de, de Coro. Mhm. Ça veut dire les gens sont là pour s'entretenir et il faut qu'il y ait une rigueur du bilan. Et c'est ce qu'il n'y a pas. Si je vous comprends bien, les agences, le Coro se retrouve pour, il au détriment du, du pèlerin. Bel et bien, parce sinon, à quoi, comment on peut nous justifier à chaque fois D'ailleurs, c'est le seul visa qui ne se paye pas. D'accord. Euh, Hussein, vous êtes d'accord avec Jafar oui, je, suis tout à fait, je partage entièrement ce que vient de dire Jafar, parce que tout et qu'est-ce qui se passe Quand on parle de dernière minute qu'on dise qu'il n'y a pas d'avion, qu'est-ce qui a posé, qu'est-ce qui a fait le problème Est-ce qu'on a bien cadré les choses avec les avionneurs Une fois ça se passe l'année précédente, ça ne doit pas se reproduire. On reproduit les mêmes erreurs, on reproduit les mêmes insuffisances, et on, veut dire non, c'est la volonté de Dieu. Il faut il faut pas peur de vue une chose, il y a des pèlerins qui ont quitté l'intérieur du pays pour venir, qui sont là. Et qui sont dans l'attente. et qui le chargé de communication appelle tout de même à la sérénité. Mais, oui, d'accord, mais c'est trop facile d'appeler à la sérénité, c'est trop facile ça. C'est bien beau de venir s'asseoir dit. Quelqu'un qui a quitté, par exemple, Difa, quelqu'un qui a quitté Agadez pour venir s'installer à Niamey, c'est une charge supplémentaire. Même si la personne a une famille d'accueil, c'est une charge supplémentaire. La personne est venue normalement pour pouvoir continuer directement. La sérénité, quand est-ce que il faut moi tant que j'ai pas vu de vol, je me dis quelque part on est toujours dans l'incertitude comme les années précédentes. On est dans la même logique, dans le même schéma. D'accord. quelle solution moi, je pense que c'est l'année prochaine, par exemple, euh, oui, telle chose se reproduise. Euh, oui, euh, il y a il y a beaucoup d'aspects. Il faut qu'il y ait beaucoup de transparence au niveau du Coro je pense que ça ne soit pas une sorte de, de, de comité où on case ses protégés ou on case ces, gens, ces militants. Je pense qu'il y a une grande responsabilité quand il s'agit de l'organisation du Hajj. Il faut que ce comité-là soit choisi sur, la, sur euh, euh, un critère de compétence et même le choix des avionnaires. Moi, c'est là où le, le, le bas blesse. pourquoi on ne peut pas avoir un comité qui puisse euh, euh, créer les conditions d'un avis d'appel euh, à candidature internationale. Aujourd'hui, on ne connaît pas la transparence. Vous pensez que ça a été choisi comme cela Non, ça a toujours été choisi. Sinon, comment se fait-il que mais, qui ne voyage pas au Niger on connaît que quand vous allez dans, dans un avion, c'est pas un véhicule quand même. On sait que au niveau de, de, de, des aéroports, au niveau des plateformes des, des, avions, le, le moindre retard coûte cher. Mais comment se fait-il que un voyage qu'on prépare, un vol qu'on prépare depuis pratiquement 9 à 12 mois, et si au dernier moment, euh, on vous dit que le vol est retardé, y dans le contrat, il devrait y avoir des critères des sanctions, des critères de sélection. Un avionneur qui sait qu'il est choisi sur sa qualité, sur ses compétences, euh, par ailleurs sur son expérience, ne peut pas à 72 heures à 48 heures, un vol ne se, euh, euh, ne s'annule pas, pas à 48 heures. D'accord. Merci beaucoup pour ces analyses sur l'organisation du Hajj 2016. Nous allons prendre une petite pause pour revenir sur un autre élément. Le Niger célèbre, à l'instar des autres pays du monde, la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le thème retenu euh, est L'humanité est indivisible. Le lancement officiel de la journée a eu lieu ce matin même, puisque c'est aujourd'hui la célébration, et c'est DIFA qui est la région phare. Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Nawal Magaji, qui était récemment là-bas, nous fait le point de la situation actuelle. Le 17, euh, j'étais à Difa. J'ai passé la journée avec le gouverneur, avec toutes euh, les autorités euh, coutumières et traditionnelles de, de Difa. La situation, c'est l'accalmie. il n'y a plus de mouvement de populations. Les gens sont stables. Et Bosso, qui, a été vidé le 3 juin presque à 100% de sa population, est aujourd'hui reconstitué à plus de 80%. De la même chose pour les zones de Baroua de Yebi et de Kabla. Également, Toumour est presque à 100% reconstitué. Donc euh, les gens sont en train de retourner à l'occasion vraiment de la prise en charge par la force mixte de cette euh, nébuleuse qui est en train d'être maîtrisée. on parle d'une attaque encore dernièrement dans la zone de Bon, ce n'est pas des attaques, c'est de manière sporadique. Maintenant, c'est des bandits armés qui rentrent dans le lit, qui trouvent avec des gens, avec leurs, leurs animaux et qui font des razzias. Ce n'est pas en tant que tel euh, Boko Haram qui fait des actions dans ces zones-là. C'est des bandits armés et c'est les conséquences de ce genre euh, de situation. Voilà le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Lawal Magaji, sur la situation à Difa. Difa avec euh, précisément Bosso, où c'est le retour au calme, c'est hein, bon, ben, c'est tout, c'est quand même un, calme relatif. Vous savez, c'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique c'est ce groupe-là, c'est cette bande de terroristes, euh, je vais parler de Boko Haram, c'est pas une force. Aujourd'hui, effectivement, il y a une situation d'accalmie. Et tout à l'heure, le ministre a fait le point par rapport au retour des populations dans leur localité. Bon, il dit les gens sont en train de retourner, mais même quand les gens retournent, il y a toujours cette hantise-là. Il y en a qui sont déplacés, en tout cas, de manière durable qui sont là, qui ne savent pas à quel moment, parce que dans tous les cas, il suffit qu'il y ait un peu de, comme avait dit, la vigilance soit un peu, euh, euh, comment un peu pour que on assiste encore. J'ai entendu dire qu'il y a des bandits armés. Bon, moi j'ai dit, entre bandits armés et Boko Haram, c'est pratiquement la même chose. On doit pouvoir combattre aussi ces bandits armés là on ne doit pas, en tout cas, on ne doit pas minimiser. Si c'est des individus qui viennent avec des armes, qui s'attaquent à des pauvres populations, à des, popula à des paisibles populations pour emporter leur bétail. Malgré la présence. Euh, malgré la présence, quand même, il y a cette inquiétude qui est là. Et oui, tout à fait, il y a cette inquiétude qui est là et cette situation de détresse dans laquelle vivent les populations. En tout cas, pratiquement toutes les localités sont affectées et ça fait pratiquement plus d'une année que ça dure. Oui. Euh, euh, est-ce que le, discours du ministre vous rassure pour ce qui est des déplacés euh, de, de, de euh, de façon générale, de la situation d'insécurité. Oui, rassurant sur un seul aspect, je pense, quand à l'issue d'un constat sur le terrain, quand lui-même il se ressource, et, il tire le bilan du fait que les populations sont en train de reprendre leur terroir d'origine. Euh, mais ça, ce n'est euh, qu'une partie de, euh, de la gestion de ce conflit-là. Quand il retourne, qu'est-ce qu'il trouve sur le terrain Bon, là, peut-être il n'a pas eu assez de temps pour le dire, mais il aurait dû nous parler de qu'est-ce qu'ils ont retrouvé. Est-ce qu'on a reconstitué leurs habitats Est-ce que en retournant, comment ils ont été sécurisés Quel est l'appui maintenant qu'il faut à ces populations qui ont tout perdu je pense que c'est des, questionnements, des questionnements qu'il faut poser et non si c'est euh, faciliter leur retour de leur, euh, euh, pratiquement sur leur terrain de mm. départ et les laisser à la merci des ONG et associations. Je pense que là aussi, c'est, on connaît euh, le fonctionnement de beaucoup de, d'ONG et associations. Dans ce genre de situation, il faut qu'il y ait une coordination. Et cette coordination ne peut venir que du gouvernement. Mm. Et surtout que quand la, charge, possède une innovation d'un ministère qui a toute sa valeur dans le contexte actuel et dans cette région. Je pense que lui, il aurait dû même se déplacer et, euh, ne serait-ce élire domicile euh, dans la région de, Difa en attendant qu'il y ait une sorte d'accueil. Il n'y a pas que Difa. Hein. Difa, c'est vrai, il y a l'insécurité, il y a aussi euh, des problèmes humanitaires, mais regardons aussi de façon générale les, questions d'inondation avec des précipitations. Vous avez Wallam qui est coupé du reste du monde, vous avez Tawa avec des zones comme Bouza, un peu partout à Balak. La situation n'est pas réduisante. Qu'est-ce qu'il faut de manière générale pour aider les populations je pense que dans ce genre de contexte, euh, euh le Niger a, euh, dans un premier temps, c'est le gouvernement. Et le gouvernement a, une euh, ce qu'on appelle la cellule de gestion de, de, catastrophes et crises euh, alimentaires et qui est là logée, je pense, euh, au niveau du ministère du cabinet du premier ministre et qui pendant toute l'année est en train de mener des actions vers les partenaires, qui demandent aux partenaires de, de, le financer et sur fonds propre aussi de l'État. Ça veut dire que c'est tout ce qu'il faut, c'est c'est que cette cellule-là puisse se déployer dans euh, à travers le pays, prendre en charge ce genre de questions. C'est qu'ils peuvent faire de façon, de façon urgente de le faire. Et dans, le cas euh, à moyen terme, se devoir avec les, les, partenaires qu'est-ce qu'il faut faire pour aider ces populations-là. Mais la question d'inondation, moi, je pense que euh, il y a un autre pan de ce problème-là qu'il faut résoudre avec les, euh, les collectivités euh, décentralisées. Je pense que euh, quand vous prenez, rien que vous prenez la situation de nos villes, vous comprendrez que pratiquement on a les collectivités ont démissionné de leur de leur mission, régalienne qui consiste à assister les populations, qui sont les, autorités de proximité. Mais en, regardant, on sait qu'il y a des inondations qui n'ont pas leur raison d'être si véritablement les collectivités ont fait leur travail. Puisque quand on voit aujourd'hui le, le, problème de, de, logement, des euh, de lotissement des terrains, c'est mal fait. Et là, c'est vrai, c'est le gouvernement à travers le ministère de l'Habitat, mais les collectivités devront prendre le relais à partir du moment où se, construit, ce lotis c'est devenu habitable. Les collectivités doivent veiller à ce que le lotissement soit bien fait. de façon générale, euh, sur la question humanitaire, aussi bien à DIFA que dans Évidemment, la question humanitaire, évidemment, il y a les partenaires humanitaires qui sont là, qui sont promptes à être sur le terrain avant même souvent le gouvernement. Et qu'il y a une situation de crise quelque part, ils sont les premiers à se mobiliser, à trouver les ressources. Ensuite, le gouvernement vient en appui souvent. Maintenant, pour ce qui est de, de, de, la situation de manière générale, bon, qu'est-ce qui crée Je vais un peu compléter, Jaf. C'est que bon, quand on, on, on voit même un peu qui se passe dans certains quartiers de Niamey, c'est qu'il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas la voirie. C'est ça véritablement le problème. Et le plus souvent, quand il y a ça, des... Ça, c'est pour les villes, mais quand on voit mais, ah, non, dans, mais les, dans, les, zones rurales... Dans les zones rurales également, c'est qu'il faut, il faut, il faut prévenir. On peut bien prévenir dans certaines zones rurales. Parce que souvent, c'est genre le phénomène, quand ça arrive, en tout cas, il y a des services spécialisés qui annoncent déjà qu'il y aura telle chose, telle chose qui vont se passer. Il faut prendre les dispositions en amont pour que dès que ça arrive, on puisse mobiliser, comment veut dire, euh, euh, comment veut dire, mettre en place le mécanisme d'assistance. Souvent, ça traîne pendant pratiquement des semaines. Oui, bien sûr. Ça manque. Ça manque. Il y a un ministère qui a été créé, mais bon. D'accord, mais véritablement, parce que moi, quand j'ai entendu ce ministère, je me suis posé la question. Est-ce que ce ministère, bon, je sais bien comment les fonctionnaires, les partenaires humanitaires fonctionnent. Ils veulent être eux-mêmes sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Maintenant, est-ce que c'est le ministère qui va faire le captage de toutes les ressources de ces c'est pas, c'est pas évident quoi. D'accord. Merci beaucoup. Euh, on va au dernier aspect de ce, de ce de ce forum, de ce forum de la presse, les JO, les JO 2016 qui se poursuivent, mais c'est surtout demain que les Nigériens vont retenir leur souffle avec euh, l'entrée en compétition de l'espoir du Niger. Je veux parler du taekwondoïne Issouf Alfaga Razak. Il va affronter le Français Mbar Ndiaye Razak, euh, très optimiste selon Sahel Dimanche, il dit Je sens une deuxième médaille olympique pour le Niger à Rio parce que c'est mon objectif et j'ai l'expérience. Jafar, vous êtes euh, très optimiste avec Razak ah Oui, je suis, je suis d'autant optimiste que lui, et, d'ailleurs que même ses, adversaires, puisque j'ai suivi vu euh, un reportage de, s'est appelé sur le chemin, sur le chemin des JO. Euh, même ses adversaires reconnaissent à lui euh, quelqu'un de d'engagé, de, très technique, euh, de sérieux dans le travail. Et même ils estiment qu'il est capable de d'atteindre la médaille. D'accord. Oui, mais tout à fait. Je suis optimiste aussi. Je suis optimiste d'autant plus que, en fait, c'est lui, en fait, le symbole. Il y a d'autres athlètes qui sont partis, mais véritablement, tous les espoirs reposent sur ses épaules. On s'est dit, il a eu le temps, en tout cas, de se former, en tout cas, de s'entraîner. on s'attend à ce que, en tout cas, il puisse faire quelque chose euh, concrètement pour que les Niger ne soit pas capot de cette affaire. -là. Bonne chance, disons-nous, à Razak. Donc, c'est la fin de ce forum de, ce vendredi qui a décrypté l'actualité de la semaine avec nos invités, Diafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant, et Hussein Issa, qui est journaliste indépendant. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée et bonne écoute.